Monsieur et bonsoir. Vous êtes sur le 20 15 de la télévision Tambra et bienvenue à sa grande édition d'informations que nous aurons en vous invitant à la découverte de Rambali Voyage et tout ce qui en est de leur encadrement à travers ce reportage. Suivez plutôt. لبيك pour son expérience dans l'organisation du Hajj et de la ombra au Niger et dans la sous-région, l'agence Ambali Voyage avec son équipe managériale poursuit les sessions en témoigne ces pèlerins qui effectuent la Umrah du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 après les formalités d'usage à l'aéroport international de Hamani, en compagnie des encadreurs, toujours à l'écoute des pèlerins, le voyage s'effectue à travers un vol Ethiopian Airlines avec une escale à Addis Abeba avant d'atterrir à l'aéroport international Roi Abdelaziz de Jeddah. Les pèlerins sous une pluie battante prennent aussitôt la route pour Médine. Ils sont accueillis à l'hôtel Oasis, situé à 50 mètres de la mosquée du prophète Mohamed P. et salut sur lui. Un hôtel de haut standing avec toutes les commodités requises. Quelques instants après le pèlerins effectué dans la même journée la prière de la Juma à leur grande satisfaction, mais aussi de l'ensemble des encadreurs. Les pèlerins y séjourneront à Médine pendant quelques jours en multipliant les prières et les invocations, à la fois pour eux, leurs familles respectives et pour le pays en général, pour qu'Allah répande sa miséricorde, conforte la cohésion sociale et la paix au Niger et dans l'ensemble de la Ouma islamique. Selon les encadrés de Ambali Voyage, les étapes suivantes seront consacrées au Ziara afin de regagner la Mecque pour les prochains rites. Ah eh, asikaltarmi kurara mudu yome ilgo jitu duniya ilgo madina farara kuna ilko dinga bonara ilsintinga ziyarati ilsintin gugumbi mangay kan gonda tari in fara zuwa masallaci na da nisa kusa ne sannan kuma gaskiya yanzu komai ya zo ya sauƙi shiga rai da ba matsala alhamdulillah don ya zo daidai gaskiya an sami yadda ake so sai dai Allah karɓi ibada ana ta roƙon ma ƙasa duka da ƴan uwa duka musulmi Allah ta kwanciyar hankali Allah ya ƙara buɗewa ko zaman da mu lafiya. Eh, mun gode mun gode ƙwarai kuwa wannan abu da muka yi na abu na gabata da suka kawo mu sun mu abu nan kwarai amma da su gina abubuwa da yawa Allah ya kama mu kuma babu matsala ban matsala komi inda muke da kasan inda muke da babu wani matsala ko ta zama kako da babu eh mara mun gode kuma Allah ya kama amma Allah ubangiji kara mata ƙarfin gwiwa Allah wani ya fara mu wannan wanda suka shugaba to mazaje Allah fara musu himma Avec Ambali Voyage, le plaisir et la satisfaction restent toujours au rendez-vous de l'accomplissement du Hajj et de la Umrah. Ambali Voyage, une fierté nationale. Suivons à présent dans cette édition le commentaire réalisé par Rassia Diallo sur l'importance de l'allaitement maternel. Le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé. Le premier lait connu sous le nom de colostrum est riche en protéines, pauvre en sucre et bourré d'anticorps protecteurs et autres éléments bons pour sa croissance. Ce lait est particulièrement important car il est conçu pour favoriser le développement du tube digestif du bébé en soutenant sa capacité à faire face aux infections bactériennes et virales, fournissant presque tout ce dont un bébé a besoin pendant les six premiers mois de sa vie le lait maternel produit spécialement par chaque mère pour son bébé offre la teneur parfaite en protéines, en glucides, en matières grasses, en vitamines, en minéraux et est facile à digérer. Notons que l'allaitement maternel présente de nombreux avantages pour la santé de l'enfant et celle de sa mère. C'est la façon optimale de nourrir les nouveau-nés car elle favorise aussi la croissance physique et affective de l'enfant, privilégie le lien mère-enfant, renforce l'immunité de l'enfant et réduit le goût lié à l'achat de lait artificiel. L'allaitement exclusif au sein de jour comme de nuit est aussi une méthode moderne de planification familiale. Oh, Par la présence dans cette édition du plus grand des marchés de la capitale nigérienne, il s'agit du marché de Katako de Niamey, le avec Zenabou Kagara. Situé au centre-ville de Niamey, le marché Katako est le plus grand marché à ciel ouvert de la capitale du Niger, Niamey. Un centre incroyable de business qui regroupe plusieurs commerçants et revendeurs. Ce carrefour permet d'acheter et de revendre à divers articles. Le marché Katako est l'un des plus importants marchés de Niamey, inondé chaque matin d'une foule incroyable composée de commerçants, consommateurs, revendeurs et vendeurs ambulants. À Katako, 60% des produits sont importés, à savoir la quasi-totalité des fruits proviennent des pays voisins et la majeure partie des céréales importées du Nigeria du Bénin. Ce marché a comme la principale activité la vente des céréales, nil, maïs, sorgho. Outre les céréales, le marché Katako est un centre de vente des matériaux de construction, des vêtements, fabrication et commercialisation des marmites locales et même des darés alimentaires. Le marché Katako est connu partout au Niger et au-delà pour la commercialisation de tous les produits saisonniers. Au marché Katako, on y trouve du tout. Dans le premier arrondissement communal de Niamey, la cour du fleuve Niger a inondé des parcelles exploitées par une coopérative féminine de plus de 60 membres, un phénomène qui empêche des cultures de contre saison. C'est un reportage du studio Kalongo. À Niamey, en cette période de l'année, les femmes s'adonnent à la culture de contre-saison. Elles plantent plusieurs légumes et cela leur permet non seulement de subvenir à leurs besoins personnels, mais aussi ceux de leur famille. Avec la crue du fleuve Niger, ces cultures sont très souvent envahies par les eaux aux grandes dames de ces femmes impuissantes. a du fo ne da kayan kana man ne da banda kai diya mo da ga kan ga mo halhu ya dinna da yau ce sai ka ni ne wai bikin din zama go ban kalura ha kan kin gida da bata mo bai ku ga din din kin yin zai za amma ya kan kin gida da tibata mo ne wai riga da mara albasar riga da dunguri riga da kwargati riga da logo riga da windi mirdu riga da lafal Chaque année, elles sont confrontées au même problème. Soit la digue cède, soit les eaux pénètrent en dessous de la digue pour envahir les jardins. Plusieurs fois, elles ont réclamé l'aide des autorités. Ce serait certainement pour bientôt. Mais en attendant, Madame Safiissa et ses camarades sont en chômage technique. da fatta nga noni ga te hangan di yanno zani koy noni ga wadi zo singi ga dan zambar fo ya dinga man tibar godu a yabala. bala la bu zai mu chalma yan di wo si ga wafa irgo ta bino to ta kiri ni azelai koy noni kan ne mero man sali asi zaman sali ni ne la ta min irin nonda irgo koy den go fulai lutu wallahi la tudi tudai no mun gise ba da yin ka da aro kan kuri baka ga jigga zan da ro mar kai wai su yara Thank you. Restons toujours avec le studio Kalongo pour clôturer cette édition avec le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques en abrégé PASEC qui travaille à sensibiliser la population nigérienne sur l'impact du changement climatique. Les initiatives locales font aussi partie intégrante des solutions mises en avant dans la gestion de cette problématique. C'est le cas de la région du Sender. Les impacts de ce changement climatique vraiment euh, ça agit sur les secteurs clés de l'économie en milieu rural, notamment l'agriculture et l'élevage. Quand il y a insuffisance de prix ou retard dans l'installation des pluies ou arrêt précoce des pluies, donc ça ne permet pas vraiment aux agriculteurs de produire suffisamment ce que euh, le programme, qu'ils projettent euh, produire. Pour ce qui de euh, l'aspect élevage, la production euh, pastorale. Là aussi, les phénomène de changement climatique impacte sur euh, le développement du fourrage. Par rapport à ces choses, des initiatives locales qui sont encouragées et combinées des fois avec des techniques qui sont développées par des institutions de recherche telles que l'INRAM, l'ICRISAT, euh, la FAO et les institutions étatiques. On développe des initiatives qui vont permettre de rendre ces, terrains-là, ces bases de production-là euh, productives. Donc en faisant des actions de récupération des terres par exemple, la réalisation des 2000, si c'est une des zones agricoles de 2000 agricoles, on améliore, on combine avec euh, les initiatives locales pour améliorer euh, les situations, pour avoir euh, vraiment des productions qu'on attend. Et c'est sur cette page du studio Kalangu que se referme cette édition d'information, messieurs, dames. Merci de votre aimable attention et les programmes en continu sur le miroir de la femme. Au revoir. de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite badr 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500.